diggante lycée Ababakar Sy ak lycée bu Mboro ci euh, final bi ñu am thème bu ñuy doupé la responsabilité sociale des entreprises minières du département de Tivaouane honoré ou non honoré tay ci final bi am nañu satisfaction bu mag ndax woote ñu wuy ci la yombul te wa Tivaouane gi yépp ñëw nañu bokk ñun bëss bi kon oh, ñoo ngi leen di delloo njukkal di leen jaajeufal di leen wax mbégte ak contentement bi ñu am waye tamit di beral cant ku si mel le parrain monsieur Khalifa ababakar gay di beral cant ku si mel l'invité d'honneur monsieur Mansour saw waye tamit di beral cant Ousmane nya bal xaw BBC ak partenaire yi japp ci activité bi yëpp. vraiment dal amna ñu satisfaction di ñaan nak édition yu melni suñ koy def bu benen yonté école yi gëna participer école yi gëna bok ndax ñun ay ndaw lañu ci dëkk bi lañu dëkk lenn kessé moo ñu yitteel mooy lu avancé gox bi ñu bok muy Tivaouane jërëjëf qui se trouve à Djogo et qui exploite le zircon. Il y a l'industrie du Lam qui se trouve à Sebok et qui exploite le charbon. Enfin, nous avons l'industrie qui se trouve à Tegbeden et qui exploite le phosphore. Chers membres du pour vous montrer qu'ils ont véritablement honoré cette responsabilité, pour ils se demander ce qui localités environnantes avant l'arrivée de ces industries et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Avant l'arrivée des ICS, Moro était un petit village, un village de dépourvu d'eau et d'électricité. La commune de la Rotos n'était même pas connue. Avant l'arrivée de la GCO, rares sont ceux qui étaient au courant aujourd'hui mon rôle est devenu avec la présence de beaucoup d'infrastructures. Une ville attractive de population, les gens venant de tous les coins du monde s'y retrouvent. Pour vous montrer aussi qu'ils ont honoré cette responsabilité, nous allons nous appuyer sur une réalisation, sur le plan social, éducatif, culturel, économique, mais aussi dans le domaine de la santé. Chers Chers, c'est à travers des exemples précis, concrets, parfaits, que nous allons montrer que ces différentes entreprises que nous avons citées ont bien honoré ses responsabilités sur ce mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sur le plan sanitaire, même si la réalisation de structures sanitaires, même si certaines entreprises ont réalisé des structures sanitaires, notons toutefois que les populations impactées se soignent par leurs propres moyens. De ce fait, est-ce qu'on peut dire que la RSE est honorée dans les localités de Boro, de Taïwan et de Dao Hélas, non. La responsabilité sociétale des entreprises n'est pas respectée par les industries chimiques du Sénégal. Au niveau de Darou les déversements de soufre détruisent les exploitations agricoles sans dédommagement des dégâts causés. C'est pour s'opposer à tout cela que des plateformes de défense des intérêts des populations sont créées. Prenons l'exemple de la plateforme citoyenne nommée Moro SOS, une plateforme qui témoigne qu'il y a urgence et non-respect de la, de la responsabilité sociétale des entreprises. Cette plateforme, composée des hommes et des femmes engagés de tous bords, des élèves et des professeurs et certainement certains de nos co-débatteurs et leurs accompagnants dénoncent le non-respect des responsabilités sociétales dans leur localité. Aujourd'hui, Mboro ressemble à une poudrière. Mboro souffre de la pollution. Mboro la à que les ICS ont respecté la RSE. Notre intime conviction est de dire que la responsabilité sociétale des entreprises n'est pas honorée par les industries chimiques du Sénégal. Chers membres du jury, chers co d'après ce que je viens de dire, est-ce que nous ne pouvons pas dire que ce sont des exemples aussi pertinents à améliorer les conditions d'existence de ces communautés. C'est dans cette optique que les industries et du Sénégal, très la au sociale, vont accomplir des exploits avec une réalisation que même l'État n'en serait incapables. capable. La gratuité de l'eau pour beaucoup de zones à vous qui ont composé de quatre plafonds multidimensionnés de de 35 millions de francs CFA destinés à la commune de Miramont en lutte. Les sont

se partout dans le monde. Des sommets sont organisés pour cela. C'est l'exemple de la COP 21. Cela revient à dire que ce n'est pas une est dans le département de l'État. elle je vous le bonsoir. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, chers débatteurs. Je me nomme Dera Chambay, élève en classe de première au lycée Valcarcy de C'est avec un immense plaisir de me retrouver devant vous et de parler avec devant tous les jours, c'est pas trop facile. Mais si vous me permettez, nous sommes là devant vous pour vous dire les deux sociétés qui sont la CEFOS et la La CFOS signifie Société Sénégale des phosphates, mais les AIG signifient African Investment Group. Ce sont des communautés. Mais je vous dis, spécialisées au niveau des phosphates, comme des communes d'Engantou, comme des communes de Medina Dakar et de Sherif. Mais au fil des années, nous avons remarqué que les ACI, les AIG et, les, la CFOS ont devenu des aînées, car n'ont pas été honorés. Ils n'ont même pas honoré la RSE, parce que pratiquement aucune promesse n'a été tenue. Pratiquement aucune promesse n'a été tenue. Ils ont attendu au développement social, mais ont aussi connu le problème donc perte de terre, donc chômage et donc maladie. Mais pour dire, on peut dire que toutes ces choses-là, et ces parce qu'il travaille et qu'il n'a pas de paiement, doit même demander ses revendications, doit même tout cela est lié à quoi À leur insignifiance, à leur non-engagement. Mais je vous dis que Artefacti, en localité de la village, les entreprises n'ont même pas embauché les jeunes. Vous savez pourquoi Parce qu'on est minimise, parce qu'on est tuteur. Je ne t'aurais pas embauché. Les espèces les entreprises, je vous dis une chose, que la plupart de ces entreprises embauchent, ou bien la plupart de ces travailleurs, ce sont des journalistes, qui travaillent de deux jours, de trois ou quatre seulement. Mais pensez-vous que ce travail, si précaire, peut contribuer à l'épanouissement de nos sociétés et qui peut nous accompagner à ces établissements ou bien à ces industries Vous pensez que ça, c'est normal Chers et tout le monde de terre. L'accompagnement des terres pose certains problèmes aux femmes de quitter leur village pour aller travailler ailleurs. Et je vous dis, si ces terres étaient tous accaparées avec ces industries, comment les femmes pour travailler Comment les hommes pour cultiver Mais vous parlez aussi d'une chose très facile, de l'aspect du promesse non tenue, de non-respect du promesse non tenue, mais aussi la santé cette page-là. Parce que le Ces Cette entreprise participe au développement du département de Tivaouane en agissant dans différents domaines. Ce modèle d'exemple des industrie chimique du Sénégal, implantée à Daropoulou, qui, dès sa création, a commencé à se soucier sur les conditions des vies de ses employés en créant des HM Ele l'assurance du paiement de l'eau et de l'électricité de notre établissement. Les lycées ne vont pas se limiter à cela seulement, puisqu'ils ont construit des cases de santé dans les communes de Nara, Niané, Dalou, Dalou, mais aussi ont assuré la rénovation et l'équipement de cinq autres cases de santé. La construction de 15 salles d'alphabétisation ainsi que 600 pas alphabétisés fait partie de nos réalisations. Notons également qu'ils ont pris en charge la formation de 10 jeux à Rabbi pour la pisciculture et l'installation de 15 cases flottantes de 1600 poissons à leur profit. Le conseil aussi, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi assuré diminuer le taux de chômage de la commune de Darou en un celle du département de Tiwawan. Rappelons autrefois les professeurs qui n'étaient pas logés dans la cité des enseignants que le les avait avaient aménagé pour les professeurs du lycée Taïga ICS de Moro recevaient des indemnités de logement. Vous commencerez par livrer les salutations les plus chaleureux, chers collaborateurs, chers membres des Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vais vous parler de la, de la grande opération GCO à Djoko MDL. Chers collaborateurs, Djoko est une localité située dans la commune de Le département de Kiawen a accueilli récemment la GCO, grande opération ou MDL, qui exploite de zircon une ressource extrêmement précieuse. Pourquoi Les populations de Diogo tardent à afficher le suivi, car l'engagement à la RSE de l'entreprise exploitant n'est pas honoré. Selon les populations de la localité, leurs préoccupations véritables ne sont pas prises en compte par les responsables de la GCO Grande Coopération l'engagement à la RSE pour la promotion d'un développement local harmonieux et non une réalité dans la zone. Les populations et les élus locaux déplorent la faible des retombées Pourtant, consciente des impacts négatifs de ces activités extractives, la DCO s'est engagée naturellement à la RSE avec des réalisations. Toutefois, il faut comprendre que ces dernières demeurent largement insuffisantes par rapport aux attentes des parties prenantes par l'entreprise de l'exploitation du Yukon et de l'île Il s'agit en tout cas, des dégarpissements d'amour, du déplacement du cimetière de quoi que vous connaissez mieux que moi, chers collaborateurs, dans la commune de la Rouge. C'est à cause de la grande GTO grande coopération, qu'on a fait le déplacement du militaire. Une fois que vous connaissez mieux que moi, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça d'un puits sans que les propriétés soient bien dédommagées, mais également la faiblesse des recrutements de la population locale. Vous n'avez même pas parlé de ça. L'ampleur et la pertinence des revendications des populations impactées soit des lenteurs, soit d'absence pure et simple dans, ce sens. Certes, les populations ont été déplacées, des logements construits et donnent une apparence luxueuse de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un mouvement profond. C'est le cas des la comme Mariage, dans la zone de Mewan. Ce nouveau site manque de tout. Il n'y a ni eau, ni électricité. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça en tant qu'élève Chers membres du jury, les populations peinent à réussir de reconversion. Ceux qui les sont dans une précarité et une pauvreté extrême. Dans le secteur éducatif, les populations attendent une prise en charge de besoins des apprenants. Octroyer des bourses d'excellence étrangères pour permettre aux étudiants pour permettre d'avoir une formation de qualité et faire de une lieu de les sans aucune qualification, Mesdames et messieurs, toutes ces difficultés évoquées sont les dénonciations, les contestations, les frustrations et le par les apprenants de ces populations impactées. Elle traduit à la RSE le nom respect de ses engagements. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers collaborateurs, mort, mort, mort. Et pourquoi pas Tiwawan les élèves sont là pour en détecter. Nous, en tant qu'élèves, nous disons à Wawan, qu'est-ce que nous bénéficions de ces lèvres Mais absolument rien du tout. Et on dit que tu dans le département de Tiawan. Mesdames et messieurs, chers membres de jury, c'est à vous de juger si c'est bon ou pas. La réponse est dans cette